Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu masu kallona da bibiyata ina muku fata lairi idan warko ne ziyartar ka wannan shata mai lauraka media tv kai mana subscribing kai like kai share a jiya ne sahi alhamis 30 ga watan maris shekara 2023 shugaban bank mondial ya ziyarci tasha wutar lantarki tasha samar da wutar lantarki ta gwaribanda inda ya sami ziyara inda sami rakiya minista na minista ta ministan samar da wutar lantarki ra'ayin Yakuba

Au cours de sa visite, le président du groupe de la Banque mondiale a eu d'amples explications de la part du directeur général de la Nigélec sur les différents sous-projets de Gorubanda, comme la centrale diesel, la centrale solaire 50 MW, le projet WAP dorsal nord d'Osso, le projet baisse de stockage d'énergie par batterie et enfin le projet Haskey. Les deux délégations ont également eu une séance de travail. C'était en présence, entre autres, du ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables et de son homologue du plan. Nous avons visité la centrale électrique et il est très clair que le Niger a besoin davantage d'énergie et davantage d'énergie dans les ménages. Nous avons discuté des différentes sources et l'importance d'achever les travaux de construction du barrage et de le mettre en service. Nous avons également discuté de la question de l'utilisation de bois de chauffe que les femmes utilisent, notamment la collecte, et également le fait que cela n'est pas très propice pour leur santé, et également la possibilité de remplacer ce, bois de chauffe. La Banque mondiale et la Société financière internationale ont chacun des projets dans ce domaine. Nous avons discuté de l'accélération de ces projets. Deuxième étape, l'école normale Sadou Galadima de Niamey. David Malpass et sa délégation ont visité l'établissement créé en 2014 avec comme effectif cette année 466 élèves tenus par 24 formateurs. En 8 ans, l'ENI de Niamey a formé 2510 élèves. Je dois dire que l'éducation est très importante pour le Niger. J'ai rencontré les instituteurs en formation et j'ai également appris qu'il y a huit écoles normales dans les huit régions du pays. L'un des projets les plus importants du Niger c'est l'éducation de la fille et justement de la garder à l'école pour éviter toute déperdition. Je rencontrerai le chef de l'État cet après-midi et je sais que l'une de ses priorités, c'est l'éducation des filles. L'école normale de Niamey, c'est également le pré-scolaire et le primaire avec 268 élèves, dont 140 filles. Dans le domaine de l'éducation, des promesses ont été faites par la Banque mondiale tel que le financement de la construction de nouvelles salles de classe, notamment pour encourager la scolarisation de la jeune fille et son maintien à l'école, un vœu cher au président de la République qui en a d'ailleurs fait son cheval de bataille.